le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h17 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birning Gauré, Magaria, Mainasoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï pour l'essentiel du temps de cette euh, page forum, nous allons à Agadez. Agadez en fait, pour deux raisons. La fête tournante du 18 décembre prochain, mais aussi, mais avant, c'est le sultan de l'Aïe qui est intronisé et c'est aujourd'hui jour d'intronisation pour Oumar Ibrahim Oumarou. Oumar Ibrahim Oumarou est sultan depuis 2012 après le décès de son père le 21 février de la même année. rien n'est laissé au hasard pour la réussite de cette manifestation historique le studio Kalangu qui est diffusé sur Nomad FM à Agadez s'associe à l'événement en vous racontant cette euh, fête, en vous parlant du sultan lui-même, de l'histoire du sultanat, mais aussi de la ville d'Agadez, retenue comme patrimoine de l'UNESCO. Pour le reste de l'actualité, nous irons à Difa avec cette première, oui, cette première, des éléments de Boko Haram qui se sont rendus hier d'eux-mêmes aux autorités régionales de Difa tous des nationalités nigériennes. Ils ont été reçus et installés dans une cité de transit. Vous aurez plus d'explications avec le gouverneur de la région, Laoli Dandano. Un mot de santé pour parler de la pneumomie, dont la journée mondiale est célébrée aujourd'hui sous le thème Agissons ensemble pour lutter contre la pneumonie. Alors, qu'est-ce que c'est que la pneumonie Quelles sont ses causes et comment traite-t-on Réponse dans un instant avec le pneumologue Assao Murtala. Oui, l'Aïr est en fait parce qu'il intronise aujourd'hui son 52e sultan, Omar Ibrahim Oumarou, qui succède ainsi à son père, l'âge Ibrahim Oumarou, qui a fait environ 50 ans de règne. Une cérémonie grandiose à laquelle participent des milliers et des milliers de personnes, dont des autorités politiques, des membres du gouvernement et plusieurs chefs traditionnels du Niger et même des pays voisins. Le sultan a investi officiellement dans ses fonctions quatre ans après son élection qui est le sultan Omar Ibrahim Oumarou Notre reporter Tanan Foudé Ahmed, récemment en mission à Gadez, l'a rencontré. Voici comment il se présente. Euh, donc, euh, je suis Ibrahim Oumarou. Donc, euh, je suis le 52e sultan de l'Aïr, de la lignée des sultans Yunus, donc, originaire d'Istanbul, en Turquie. Donc, notre sultanat a été créé grâce à la volonté des tribus qui sont entendus euh, pour aller jusqu'en Turquie pour chercher un arbitre. Donc les différents groupes sont partis en Turquie. Donc euh, avec la compréhension du sultan turc, il leur a donné son fils Yunus qu'ils ont rapporté jusqu'ici. Donc euh, voilà notre identité et, notre racine, donc, comme je peux le dire. Donc nous venons de la Turquie suite à la demande du groupe Touareg de l'AIR. Avant votre consécration, pouvez-vous nous dire euh, les fonctions que vous avez occupées J'étais enseignant de carrière. Et après, je suis devenu un élu local à partir des années 2005 jusqu'en 2011 où j'ai occupé le poste du deuxième adjoint au maire de la commune urbaine d'Agadez. Donc euh, en 2012, suite au décès de notre regretté père, donc euh, j'ai eu le privilège de le succéder. Donc, comme la succession se passe du père en fils. Donc, voilà comment il euh, s'est devenu sultan. Parlez-nous un peu de l'intronisation au sultanat de l'Aïr. L'intronisation du sultan de l'Aïr s'est fait euh, d'habitude uniquement ici, dans le palais. Il y a un endroit spécial qui est dédié pour ça. Donc, euh, par des, des confédérations touareg qui viennent introniser leur sultan, une fois un sultan élu. donc, cette fois-ci, on a jugé partager cette culture avec nos autres frères chefs personnels, avec nos autres frères nigériens. Donc c'est pour cela qu'on a demandé à l'État de vouloir euh, inviter à marge des de fêtes de Agada Sokni toutes les populations du Niger et nos frères du, du Nigeria donc, qui vont venir nous, épauler vraiment pour faire cette intervention pour que le, monde entier sache comment on intervient un sultan. Donc voilà le motif de cette intervention. Sinon, elle s'est faite mais ici uniquement dans le palais. Il un endroit qui est fait spécifiquement pour intervenir le sultan au palais. Pas par tribu UTC1, c'est eux qui portent le turban sultan. et les Elisewan qui sont maintenant dans la région de, de Tawa à Keita, c'est eux qui amènent le Hagar et le lit sur lequel ça le Sultan. Donc les Kelewi, c'est eux qui euh, accueillent le Sultan une fois élu et euh, le ramènent dans le palais. Voilà. Voilà l'histoire du sultan Oumar Ibrahim Ouarou, compté par lui-même. Oumar Ibrahim Ouarou est enseignant de formation. Le nouveau sultan de l'Aïe a été choisi par consensus familial pour diriger les 19 groupements qui constituent ce sultanat. En tout cas, c'est ce que nous a confié Al-Bashir Aboubakar, l'oncle de Oumar Ibrahim Oumarou, membre de la cour du sultanat de l'Aïr. Il nous fait l'historique du sultanat. Oui, le sultanat de l'Aïr a été fondé, disons, vers 1405. Parce que avant, avant 1405, donc la, les confédérations Touareg qui étaient dans les grandes confédérations, c'est-à-dire les sandales, les sandales qui regroupent au sein des sandales, même il y a plusieurs grandes tribus qui, sont au sein des sandales. Les Kelewei, les Kelgris, les, dans les ils sont dans les, sandales. Donc il y avait des, conflits fratricides, des, querelles interminables entre ces, différentes confédérations. Alors un, jour, Dieu a fait que euh, les les anciens de ces, confédérations se sont réunis et ont décidé d'aller chercher un arbitre. Donc euh, c'est ainsi que ils se sont dirigés vers euh, euh, le roi les, rois, turcs, à qui ils ont proposé qu'ils leur donnent la possibilité que l'un de ses fils soit leur dirigeant, leur sultan. Proposition qui a été acceptée et le sultan leur a confié son propre fils qui s'appelle Younous. Il s'appelle Yunus. Donc Yunus était le premier sultan donc, de, l'Aïr. Euh, disons, on cite la période de son arrivée dans l'Aïr à 1405. Donc à partir de Yunus jusqu'aujourd'hui, jusqu'au 52e sultan qui est en train d'être intronisé actuellement, c'est la même dynastie, c'est la dynastie de Yunus qui, euh, qui a toujours le trône. Et Younous, quand il était là, et même son, son, successeur, ils étaient presque nomades. C'est temps de Illison, donc euh, vers 1420, 1420, qu'ils ont opté, donc les confédérations ont opté pour sédentariser le sultan, c'est-à-dire lui construire un palais au niveau d'ici, d'abord au niveau de Tadlisa et ensuite euh, au niveau d'Agadez ici. Euh, c'est en ce moment que le, sultan s'est stabilisé, donc il a laissé la vie nomade. Mais malgré tout, euh, avec les changements climatiques, il lui arrive de transimer jusqu'aux frontières du Nigeria. Et c'est ce qui fait qu'une partie du sultanat a été établie à Dogarawa. Et c'est ça qui amène la confusion souvent des gens qui pensent qu'on amène le sultan de Dogarawa. Dogarawa, c'est récent. Il est là aussi. C'est une des dynasties du sultan Yunus. Parce qu'à partir du sultan euh, euh, Mohamed Al-Moubarak, qui, avait, qui a eu euh, un fils qui s'appelle Agaba. Agaba, c'est lui qui est parti, qui, a, qui a combattu le roi de Kébi. Et il a arraché l'Ader. Et c'est le début de, de, la chefferie d'Ilela. Et Mohamed Al-Moubarak, parce que Mohamed Al-Moubarak, il est, c'est un des sultans qui a fait beaucoup, qui a fait beaucoup, qui a fait connaître le sultanat de l'Aïr parce qu'ils ont fait des, euh, des excursions un peu partout, vers le Bornou, vers le Gobir, etc. Et, Dogarawa, c'est récent. C'est à partir de 1907. Vous voyez À partir de 1907, quand euh, les, Blancs ont détrôné Ibrahim Dessouki pour refus de, de coopération, parce qu'il refusait de coopérer avec eux pour maltraiter ces sujets. Donc ils l'ont détrôné et ils, ont, euh, et ils ont placé au trône son propre neveu qui s'appelle Tagama. Et lui, il s'est déplacé, donc euh, il est reparti là où il a l'habitude de passer l'année, souvent quand il va en transhumance, à Dogara, pour rester, pour être chef. Et c'est ce qui fait que de, de, 1907, il n'y a eu que à peu près quatre chefs de canton au niveau de Dogara. Il y a eu Ibrahim Dasuki. Il y a eu Wandara qui est son propre fils. Il y a eu Atoel qui est son propre fils. Il y a eu Kadri Atoel qui est le fils de Atoel. Et actuellement Ibrahim Atoel qui est l'actuel chef de canton de Dogarao. Vous voyez Donc euh, vraiment les gens doivent cesser cette confusion et de penser que les sultans viennent de Dogarao. Non, non, non. C'est les Dogarawa, c'est les, sultans d'ici qui, en partant en transhumance, qui se sont établis de l'autre côté. Merci. Voilà l'histoire du sultanat d'Agadez contée par Al-Bashir Aboubakar, membre de la cour et oncle de l'actuel nouveau sultan Omar Ibrahim Oumarou. Parmi les tribus qui intronisent le sultan de l'Aïr, il y a le groupe Kel Ewe, une tribu touareg. En mission récemment à Agadez, notre reporter Talan Foudé Ahmed s'est entretenu avec Elaj Mahmoud Soleiman, le chef du groupement Kel Ewe lesquels ils sont d'origine euh, Ouararen, les appelle les Ouararen, qui viennent d'Aoujila. Aoujila, c'est entre euh, la Libye et l'Algérie. Dans les années 1337, où une reine a quitté Aoujila, l'Égypte quoi. Ils ont un peu normalisé dans la zone de Saïr, le Jado, jusqu'à venir ici dans l'Aïr vers le 13e siècle, fin 14e siècle. Ils sont rentrés par euh, la vallée de Tafidet. C'est ça qui donne le nom de l'Ansafidet. c'est à celui appartient la communauté qui a fait son entrée par la vallée de Tafidet. Et c'est de là que les tribus, parce que les tribus, ils ont un autre nom dans le vieux temps. Je vous ai dit que nous sommes des Ouaraguen. Donc aujourd'hui, nous, sommes, nous avons arrivé à Tafidet. Donc on avait les Kaltafidet, les Kel Aoulas, les Kelzaneris, les Keltak. C'était sept tribus. Et ces tribus se sont répandues dans l'Aïr jusqu'à atteindre 99 tribus. Parlez-nous des liens qu'il y a entre l'Anastafidat et les sultanat de l'Aïr. Bon, le sultanat de l'Aïr, d'abord c'est la famille et nous avons les liens administratifs, les liens des mariages qui nous lient avec eux et les liens de travail. Durant l'intronisation, il y a une activité particulière que l'Anastafidat occupe. Nous, on a un rôle très important que nous jouons parce que la chefferie du sultanat de l'Aïr, elle trouve son origine des trois confédérations. Ces trois confédérations sont les Kéloé, les Kelgris, les Tesséens. Et vous allez le constater le jour de l'intronisation. C'est les Tesséens qui vont faire sortir le sultan de sa demeure. Il sera accompagné par les Kelgris. Et nous, les Kéloé, nous sommes encore sur notre côté. On va accepter le sultan. Voici les trois rôles. Les Tesséens, le turban, les sort de la maison. Les Kelgris l'accompagnent jusqu'à devant les Keleway, où il sera assis sur un lit en bambou, les pieds par terre. C'est les Keleway qui lui disent de remettre ses pieds sur les lits. L'introduction est finie. Voilà, Elhaj euh, Mohamed Suleiman Anastafidet, le chef du groupement Kel Ewe. Euh, le groupement Kel Ewe euh, est une tribu touareg qui intronise le sultan de l'Aïr une fois élu. Le sultanat de l'Aïr, il faut le dire, joue un rôle extrêmement important dans la région d'Agadez, tant sur le plan social que culturel. Il a en effet beaucoup contribué à l'inscription de la ville d'Agadez dans le patrimoine mondial de l'humanité. Pour en savoir davantage, notre reporter Taner Fouda euh, Ahmed, qui était envoyé spéciale dans la zone récemment, s'est entretenu avec euh, Ali Salifou, le directeur de la cellule de conservation et de gestion du centre historique d'Agadez, communément appelé Vieille Ville. Nous l'écoutons. Et en 2013, lors de la 37e session du comité du patrimoine qui s'était tenue au royaume de Cambodge à Phnom Penh, donc les, 21 membres du comité ont jugé nécessaire de classer Agadez au patrimoine mondial sous les critères 1 et 2 et 3 donc le critère 2, c'est relatif au rôle que le sultanat a joué pendant plus de et, cinq siècles ici à Agadez, parce que son rôle c'était la, la, la, la pacification donc là pour la paix et la prospérité de la ville d'Agadez. Le deuxième élément c'est surtout la trame urbanistique de la vieille ville, parce que vous avez Agadez sa, sa, sa, caractéristique, c'est surtout ses réels et surtout la façon dont les maisons ont été construites et surtout l'ensemble quand vous prenez la majorité de, de, ces, de ces quartiers, il y a 11 quartiers il y a 11 quartiers anciens et la majorité de cette architecture donc, est, faite en, en, argile. Donc c'est voilà les deux éléments qui ont conduit donc euh, au, classement ou à l'inscription de la ville d'Aglaise au patrimoine mondial depuis 2013. Quelle est l'importance de cette inscription Bon, ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que le Niger participe donc à la à l'enrichissement de la culture euh, mondiale. Parce que quand un site est créé, l'UNESCO, il y a au moins 190 pays qui sont membres de l'UNESCO. Et quand vous êtes inscrit, chaque année, l'UNESCO fait sortir une carte géographique de l'ensemble des biens culturels et naturels qui ont été inscrits au patrimoine mondial et on les envoie de chaque pays. Donc ça, ça fait donc une reconnaissance internationale au point de vue culturel. Et deuxièmement aussi, ça fait de la publicité. Parce que quand quelqu'un qui n'est pas africain ou qui n'est pas nigérien, dès qu'il voit une ville agadez inscrite, il va chercher à savoir ça et ça, ça peut aussi, le grand avantage, ça peut aussi amener les touristes à venir visiter, chercher à comprendre, mais c'est quoi cette architecture-là, c'est quoi ce sultanat-là, ils vont chercher à le savoir. Et un autre avantage aussi, c'est on peut avoir des projets, des programmes de, réhabilitation, de conservation qui peuvent aider donc à, améliorer les conditions de vie des populations au niveau de cette vieille ville-là. Surtout qu'Agadez, vous savez, c'est une ville où les gens font beaucoup de l'artisanat. Et quand il y a beaucoup de touristes, ça veut dire que l'artisanat va être vendu. Et aussi, ça participe également donc à l'amélioration des conditions de vie des populations, comme je l'ai dit. Voilà donc les différents avantages qu'on peut avoir par rapport à une inscription. Est-ce que la mosquée historique d'Agadez a joué un rôle déterminant dans l'inscription de cette ville dans le patrimoine historique de l'UNESCO Oui, la mosquée a joué, mais on a pris l'ensemble. Parce que la mosquée, en tant que telle, a une histoire. En tant que telle, même la mosquée et le, sultanat peuvent être inscrits au patrimoine mondial par rapport à leur histoire, par rapport à leur culture, par rapport à leur architecture. Mais on a pris l'ensemble parce qu'on a regardé que l'ensemble de la vieille ville a été formée au fur et à mesure, donc avec la mosquée et le sultanat. Donc c'est pourquoi on a pris tout cet ensemble-là qui fait à peu près 78 hectares C'est l'ensemble qu'on a pris. Mais la mosquée a, pris l'importance que la mosquée, bien avant même la vie, c'était la mosquée que les gens connaissaient. De partout, les gens ont dit la grande mosquée d'Agadez, surtout son minaret qui fait 27 mètres de haut et construit entièrement en terre. Parce que quand on a fait une étude comparative avec certains éléments qui ont les mêmes, la même taille, on a constaté que c'est Agadez qui a un truc en terre qui a été construit entièrement en terre qui fait 27 mètres. On a comparé avec un minaret qui se trouve au Yémen qui fait 40 mètres, mais euh, ce, minaret en partie a été construit avec de la pierre et des briques en ciment. Donc il y a une certaine différence. Même au Mali, à Genève, ça fait 18 mètres, à Tombouctou également, donc ça ne fait pas les vélos. Nous avons donc le minaret le plus haut au monde qui fait qui a, une hauteur de 27 mètres. Donc ça, ça a beaucoup contribué parce que on est parti de là, de la mosquée et du sultanat, de cette architecture-là pour un peu faire prendre l'ensemble de la vieille ville pour être inscrit au patrimoine mondial. Monsieur Ali, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique de cette mosquée Bon, la mosquée, selon l'histoire, selon ce que certains historiens ont développé, ça a été construite par eh, le cheikh Zakaria. Et dans les années en, 1500, entre 1512 et 1530 exactement. Mais bien avant le minaret, la mosquée existait. Parce que dès que le sultanat a été installé, le palais du sultan a été installé là où il se trouve actuellement. Parce qu'avant là-bas, le sultan ne se trouvait pas là-bas. Il a d'abord vécu quelque part avant de venir là-bas. Donc on a pu entre 1430 et 1449, c'est en ce moment qu'un des sultans qu'on appelle il est celui qui, a, qui est venu s'installer ici à Agadez. Donc depuis cette époque, donc en 1449, il existait une, mosquée mais qui n'avait pas de minaret. Donc c'est quand Zacharia est venu, donc c'est lui qui s'est inspiré et sous l'autorité du sultan, à la demande du sultan, donc il a commencé à faire le minaret. Mais le minaret, il y a eu un certain nombre d'essais. Il a fait au moins quatre essais, c'est au quatrième essai qu'il a réussi. Il a fait les trois essais qui n'ont pas donné, qui, sont tombés maintenant au quatrième essai. Il a quand même su réaliser cette œuvre qui le minaret. Actuellement, le troisième essai, les ruines donc, dès que vous rentrez à la mosquée, il y a les ruines du, du, et du 3 minaret. Donc, c'est Zacharia qui a été euh, l'œuvre le réalisateur de ce minaret à la demande du sultan, donc au XVIe siècle. Comment euh, vous faites euh, pour conserver tous ces patrimoines-là Qu'est-ce que vous faites pour protéger ces sites-là Bon, vous savez, la complexité du, du, site de la Gadez, c'est que c'est un site vivant. Donc, toutes les maisons que vous allez voir ou tout ce que vous allez avoir à l'intérieur de, ce, ces sites-là, ça appartient à des gens. C'est des propriétés privées. Donc, ça, c'est déjà un complexe. Et là, les gens ont, euh, comment on appelle, l'habitude à chaque fois de contribuer à l'entretien de l'armée. Parce que quand vous vivez dans une maison, vous êtes obligé de l'entretenir c'est d'abord donc la communauté à la communauté de faire un certain nombre d'efforts parce que c'est eux, eh, c'est leurs grands-parents qui ont, depuis six, siècles qui ont construit cette vieille ville-là. Donc ce sont les populations d'abord qui continuent à, à, faire. Mais malheureusement, vous savez, aujourd'hui, nos populations, c'est des populations qui sont un peu pauvres. Parce que depuis que le tourisme est parti, donc à Gadez, les gens ont un certain nombre de problèmes. Ils n'arrivent plus donc à, à faire cet entretien régulier. Voilà, vous venez de suivre Ali Salifou, directeur de la cellule de conservation et de gestion du centre historique d'Agadez, communément appelé Vieille Ville. Il explique comment la vieille ville Agadez a été retenue comme patrimoine de l'UNESCO. Agadez qui fait aujourd'hui l'intronisation de son 52e sultan, Omar Ibrahim Omar. Oui, après Agadez, allons à Difa avec euh, cette première des éléments de Boko Haram qui se sont rendus hier aux autorités régionales de Difa. Ces ex-combattants, tous des nationalités nigériennes, ont été installés aussitôt dans une, site, dans un cité, dans une cité de transit. Je vous propose de suivre les explications du gouverneur de Difa, Laoul Dandano, au micro de notre correspondant dans la région, Adam Baboukarna. Nous sommes dans un, tournant. Quelques éléments de la secte Boko Haram sont en train de de se rendre c'est une opération que nous avons mis en place euh, pour recueillir tous les répentis. ce qu'on dit répentis, c'est vraiment une situation qui est connue dans toutes les guerres. au, final, généralement, il y a des répentis qui se rendent, et ça, c'est de la recherche de la paix de façon globale. Donc, euh, nous avons entamé cette procédure au niveau de la région de Difa parce que nous avons compris que les forces armées, c'est vrai, ils ont fait leur travail, mais on ne peut pas arrêter une guerre seulement par les armes. Donc nous, au niveau de l'autorité civile, nous avons tendu la main. Tous ceux qui sentent, qui se sentent capables de revenir à la raison, à la République, nous allons les accueillir. C'est des citoyens nigériens qui se sont trompés à un moment et on va gérer ça comme ça. Alors, ils sont combien le premier lot et Pour le moment, il y a, 13, qui, 13 qui se sont rendus, tous des Nigériens, donc euh, ils sont là. C'est des hommes Et nous les avons accueillis dans une maison juste pour les débriefing. Parce que quand les gens se rendent, il faut les débriefer, il faut les identifier. Et c'est ce qu'on appelle un camp de transit. Et juste après, on va les amener dans un camp et pour les repentir qui sera ailleurs. Alors, les gens voient de mauvais œil la, la, présence de ces camps, surtout à Difa. Hein. Vous savez, je comprends la réaction des gens, c'est difficile. C'est très difficile parce que les gens euh, ont, commis beaucoup d'exactions. C'est très difficile. Mais euh, souvent, c'est seulement le chemin pour revenir à la paix. Parce que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la paix. Il faut arrêter ça. Cette région de Difa était, elle était très, très, très prospère. Mais cette guerre a rendu les gens, comme, ils sont devenus comme des mendiants. Ils sont là, parqués sous le goudron ce n'est pas une scène qu'il faut garder encore longtemps. Moi, je pense qu'il faut changer la paix, coûte que coûte. Il faut que la région des Difa retrouve la paix et que chacun va à ses occupations. Alors, qui a joué euh, l'intermédiaire entre vous et, Boko Haram Écoutez, comment, euh, dans un jargon traditionnel, on dit ce qui met le rat dans le feu est plus chaud que le rat. Donc, euh, ils, n'ont pas d'autres issues. Ils sont obligés de revenir et ils sont en train de revenir et on est en train de les accueillir. Il n'y a pas d'intermédiaire, hein? ils sont rendus comme ça. Oui, cas, ils se sont rendus comme ça. Nous, on n'est pas partis les chercher, c'est eux qui sont venus vers nous. Et on a tendu la main parce que c'est une occasion. Vraiment, moi, ma, préoccupation, ma préoccupation, c'est qu'il y ait la paix dans la région des Difa parce que c'est trop, trop, c'est trop, les gens souffrent. Vraiment, il faut qu'on amène la paix dans la région de Diffa Ça, c'est un premier groupe. Il y a aussi d'autres qui veulent se rendre Ils vont venir. Ils vont venir. Inch'Allah, la région de Diffa va connaître la paix. Parce que vous voyez ce qu'on vit. avant c'était le Moloud. On ne pouvait même pas faire Moloud à Diffa c'est grave. Le on fait à partir de 19h, tu déposes ta voiture. on est presque des prisonniers ici à Difa. Hein? Quand vous partez au niveau de, de, le long de la Koumadougou, Comment les gens cultivent leur pauvre, Tu parles, tu sèmes, tu cours, tu reviens, tu te caches. Vous voyez Regardez des animaux qui sont en train de divaguer. ils ne peuvent même pas aller s'abreuver. Il faut arrêter ça. Il faut, finir avec cette guerre. C'est-à-dire qu'on va résolument vers la paix Absolument. En tout cas, moi, c'est l'un de mes objectifs. Et je compte aller jusqu'au bout. Vraiment, il faut que la paix, la paix vraiment avec un grand pays, revienne dans la région de Difa. Monsieur le gouverneur, euh, euh, globalement, comment se porte euh, sur le plan de la région Pour le moment, euh, il y a une académie, vous le savez, vous et moi. Mais je dis qu'il faut qu'il y ait une paix totale. Et la paix totale, il faut couper parce que ces jeunes qu'on est en train de recueillir, c'est presque une main-d'œuvre pour Boko Haram. Si on arrive à couper ce, lien, mais on est tranquille. Parce que la majorité qui vient nous, nous attaquer ici, c'est pratiquement des Nigériens. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'on les a utilisés. Ils se sont rendus compte qu'on les a utilisés et ils veulent se rendre. Donc, on les prend. je demande à la population de nous faire confiance. On sait ce qu'on fait. On est là pour les sécuriser. Et Inch'Allah, on va les sécuriser. On va ramener la paix dans cette région. Ça, je le promets. Vos parents, vous savez, c'est. Ils divaguent. Ces gens qui divaguent entre euh, du jusqu'à vers euh, ils divaguent. Mais je le répète, je le répète encore, je dis à la population de Difa de nous faire entièrement confiance. On sait ce qu'on fait et Inch'Allah, on va ramener la paix dans cette région. Voilà, vous venez de suivre le gouverneur de la région de Difa, Laouli Dandanou, avec euh, notre correspondant dans la région, Adam Baboukarna, euh, par rapport euh, à, des éléments de Boko Haram, une première en tout cas, il y a des éléments de Boko Haram qui se sont rendus hier aux autorités régionales de Difa. À 18h42, un mot de santé pour parler de la pneumonie dont la journée mondiale est célébrée aujourd'hui sous le thème Agissons ensemble pour lutter contre la pneumonie. Alors, qu'est-ce que c'est que la pneumonie Pour en savoir davantage, Laurent Ibrahim Gadou a joint tout à l'heure docteur Assao Murtala, suivant ses explications. La pneumonie, il faut savoir que c'est une infection respiratoire basse qui concerne le spécialiste qu'on nomme le pneumologue. Et là, vous avez deux types de pneumonies qui sont également appelées pneumopathie. Pneumonie signifie pneumopathie. Là, c'est une atteinte du parenchyme pulmonaire. Au niveau du parenchyme pulmonaire, là, vous aurez deux types d'atteintes. Ce sont ces atteintes-là qui vous donneront les pneumonies. En dehors des pneumonies, il faut savoir toujours au niveau des poumons, vous avez les branches qu'on appelle la tuotérie à différencier des pneumonies, donc les bronchites, qui sont des atteintes de la tuotérie qu'on appelle les atteintes bronchiques. Donc, les pneumopathies sont dues aux atteintes du parenchyme pulmonaire. Maintenant, vous avez deux types de pneumonies. Vous avez les pneumonies communautaires, qui sont des infections acquises en milieu extra-hospitalier et qui vont se révéler au cours des deux premiers jours de l'hospitalisation que vous devez différencier des pneumonies nosocomiales. Les pneumonies nosocomiales sont des infections qui surviennent chez les patients qui sont hospitalisés dans des structures hospitalières et qui ne présentaient pas en période d'incubation, c'est-à-dire avant que la maladie ne survienne, ou au moment de son admission, il ne présente pas cette infection. Donc là, elle va se présenter trois jours après son hospitalisation, cette pneumonie, ou bien une à deux semaines après son hospitalisation. Donc là, vous avez deux types de pneumonies. Les pneumonies communautaires, là qui surviennent à la maison, et les pneumonies nosocomiales qui surviennent en milieu hospitalier. Généralement, ce sont des pneumonies qui sont causées à l'hôpital. Parlant des patients, quelle est la couche la plus touchée par cette maladie Alors, il faut savoir que la pneumonie constitue un problème de santé publique dans la mesure où vous pouvez avoir 15% de ces patients qui seront atteints de cette pneumonie qui peuvent avoir des signes de gravité qui peuvent conduire à la mortalité. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les personnes les plus sensibles, là, ce sont les personnes âgées. Donc, euh, trois à quatre fois plus de personnes présentant cette pneumonie seront situées dans la tranche des personnes âgées. Et parmi ces personnes âgées, qui présenteront cette pneumonie, 90% d'entre eux seront hospitalisés parce que cette pneumonie se révéleront avec des signes de gravité qui nécessiteront une hospitalisation. Et 90% de ces personnes âgées hospitalisées ont décédé suite à cette pneumonie. L'autre tranche d'âge la plus sensible, ce sont les enfants surtout les enfants de moins de 5 ans qui sont très sensibles aux pneumonies. Qu'est-ce qui explique cela Ça s'expliquerait par le fait que les âges extrêmes sont considérés comme des âges où l'immunité elle est faible. Les personnes âgées et les enfants sont considérés comme des personnes dont les défenses de l'organisme sont faibles. C'est pour cela que ça survient et c'est plus dangereux dans ces tranches d'âge. Docteur Moutala, pouvez-vous nous parler des causes de la pneumonie Alors, les causes de la pneumonie sont variables. Par exemple, quand je vous prends les tranches d'âge, la tranche d'âge des enfants de moins de 5 ans, le plus souvent, la cause, elle est virale. Elle est virale, c'est-à-dire ce sont des virus. Et là, au niveau du traitement, vous n'avez pas besoin de donner des antibiotiques. Les antibiotiques ne serviront à rien. Maintenant, rarement les causes peuvent être bactériennes, c'est-à-dire des bactéries. Ça peut être parasitaire, c'est-à-dire des parasites, ou bien ça peut être fungique, c'est-à-dire des champignons. C'est pareil également chez l'autre tranche d'âge des personnes âgées, ou bien l'autre tranche, c'est-à-dire qui ne comprend ni les personnes âgées, nous les personnes jeunes, les plus jeunes, les enfants, c'est-à-dire. Donc les causes peuvent être virales, elles peuvent être bactériennes, elles peuvent être parasitaires, elles peuvent être également fungiques. En dehors de ça, vous pouvez avoir plusieurs types de pneumonies, notamment qui sont induites par des médicaments même, quand on part plus loin. Vous avez des pneumopathies médicamenteuses également. Docteur, comment traiter de cette maladie Le traitement, comment il doit se conduire Normalement, les patients doivent être sensibilisés notamment ces deux tranches d'âge qui sont les plus sensibles, les enfants et les personnes âgées. Dès les premiers signes, d'abord il faut connaître les signes avant d'arriver au traitement. Les premiers signes qui doivent inquiéter les malades, c'est la toux ou bien la gêne respiratoire ou bien la douleur au niveau de la poitrine ou bien les personnes vont tousser, ils vont cracher du sang ou bien ces personnes-là vont présenter de la fièvre. En dehors de la fièvre, il peut s'ajouter également d'autres signes de gravité qui sont là. Donc, dès ces premiers signes, généralement, les gens prennent des antibiotiques, des antibiotiques euh, qui peuvent marcher et dans la majorité des cas, ça, bon, je ne dirais pas ça marche, mais quand les choses se compliquent, les patients sont obligés en ce temps d'aller consulter un médecin. Maintenant, si toutefois la cause n'arrive pas à être retrouvée, en ce temps, il faut faire des examens complémentaires, voire demander l'avis du pneumologue. Dans tous les cas, le traitement sera basé sur les examens complémentaires que le spécialiste aura à demander, notamment la radiographie pulmonaire, d'autres bilans biologiques également. Et en fonction des signes de gravité, nous décidons de l'hospitalisation ou non de ces patients. là, quand la cause elle est bactérienne, là, ça sera des antibiotiques. Si la cause est parasitaire, ça sera des antiparasitaires. Si la cause est fungique, ça sera des antifungiques. Qu'en est-il des fumeurs face à cette maladie Alors, la cigarette, la cigarette a toujours été considérée comme un facteur de risque hein, dans plusieurs maladies. Donc, la cigarette est à éviter devant toutes les pathologies respiratoires, que ce soit la cigarette ou bien la chicha, qui a tendance à être un phénomène de mode présentement dans notre société. Est-ce qu'il y a un lien entre pneumonie et tuberculose Oui, la tuberculose, c'est une forme de pneumonie, mais là, c'est le germe qui diffère. Là, c'est une bactérie communément qu'on appelle le bacille de coca qui est responsable de la tuberculose. Voilà, vous venez de suivre le pneumologue Assao Murtala sur ce que c'est la pneumonie dont la journée est célébrée aujourd'hui. Il était joint par Laurent Ibrahim Gadou. Nous terminons avec ce jeune Nigérien, Yakuba Maïga Dialfari. Il est ingénieur de formation et il a trouvé un moyen de transformer la tomate en poudre dans une perspective de conservation. Nous nous sommes entretenus avec Yacoub Omega et voilà comment il est arrivé à cette intervention, à cette invention. Nous le suivons en seconde rediffusion. En 2012, j'avais beaucoup travaillé sur euh, un nouveau système de séchage des aliments qui réunit tous les avantages des autres séchoirs euh, existants et que j'ai pu l'effectuer. Je l'ai nommé le séchoir à charbon minéral puisque ça travaille avec euh, le charbon minéral carbonisé exploité ici au Niger. Votre technique, c'est le séchoir à charbon minéral pour transformer de la tomate fraîche en poudre de tomate. Expliquez-nous. Le séchoir... il faut savoir que en dehors de la tomate, euh, le séchoir à chaux minéral est capable de sécher n'importe quel aliment. Donc euh, pourquoi la tomate Parce que j'ai constaté que euh, la tomate constitue une darée dont la conservation est très difficile. Il est très différent des autres puisque ça contient jusqu'à environ 90% d'eau. Donc arriver à le sécher jusqu'à ce que la, transformer en poudre constitue quelque chose de vraiment nouveau et puis un défi euh, qui va au-delà des autres aliments. Donc j'ai pu le faire et il faut savoir que au-delà de la tomate, euh, le séchoir peut sécher n'importe quel aliment. Mais la tomate m'intéresse. Vous dites n'importe quel aliment, quels sont les aliments qui sont concernés par ce séchoir Tous les aliments dont le séchage peut être un moyen de leur conservation. Ma machine peut les sécher, que ce soit les mangues, que ce soit euh, les piments, que ce soit euh, les piments verts, euh, que ce soit les poivrons, que ce soit la pompe de terre ou l'oignon tous les aliments dont, et la viande aussi, faire du cliché, tous les aliments dont le séchage est un moyen de leur conservation, ma machine est capable de le faire en moins d'une journée de séchage. Expliquez-nous comment ça se passe technique Ma technique, d'une manière générale, euh, consiste euh, à tout simplement à faire euh, pour la tomate le découpage. Après le découpage, l'étalage, c'est-à-dire des, tranches de tomates sur les clés, le séchage avec le séchoir qui travaille avec des tribunes aussi avec des réchauds et que c'est-à-dire à moins de 15 heures, tu as l'aliment bien séché. Vous pouvez soit le conserver comme ça ou bien faire la poudre pour sa commercialisation. Vous avez choisi la tomate à poudre. Qu'est-ce que c'est que cette tomate à poudre la tomate en poudre euh, en tant que telle est vraiment une nouvelle innovation parce que nous avons constaté que euh, ceux qui produisent la tomate concentrée ici au Niger, par exemple les femmes qui le fabriquent, ne peuvent pas concurrencer avec la tomate qui nous provient euh, d'ailleurs, c'est-à-dire la tomate concentrée de la Chine. Pourquoi pas ne pas transformer cette tomate fraîche en poudre qui est très nouveau et qui peut toutefois concurrencer la tomate concentrée qui n'est pas trop biologique, mais la tomate poudre est purement et simplement biologique. C'est la raison, c'est-à-dire euh, cette capacité de ne pas concurrencer la tomate euh, concentrée et pourquoi pas la tomate poudre qui peut toutefois le concentrer. C'est la raison de notre intérêt sur la tomate. Oui, mais concrètement, comment, quand vous parlez de d'économie, de prix. Par exemple, euh, la tomate concentrée que nous provient d'ailleurs euh, est trop chère. Et nous, la raison même pour euh, de l'existence de notre entreprise qui est purement sociale, c'est d'essayer d'acheter, c'est-à-dire les productions des producteurs maraîchers qui n'arrivent pas à les écouler sur le marché, dû essentiellement aux méventes et à la surproduction. Nous les, nous essayons de l'acheter et nous sommes capables ça de le transformer en poudre. Euh, une poudre que cest dire nous faisons des petites quantités qui sont raisonnables pour une préparation de 5 à 6 à 7 personnes comme ça. Donc des quantités raisonnables en ce sens où euh, le prix ne dépasse pas tout au plus hein, au niveau de l'unité 40 francs. Donc 40 francs, euh, en regardant le, pouvoir d'achat des Nigériens, c'est assez raisonnable, raisonnable contrairement à, au concentré d'où que, euh, la petite boîte tourne autour de 150 francs. Avec 40 francs, on peut faire une préparation Oui, avec 40 francs, on peut faire une préparation. Nous essayons de travailler directement avec les producteurs là-bas dans leur euh, dire coopérative euh, à ce niveau-là, c'est pas trop cher. Donc pourquoi euh, faire de la charité à notre niveau Combien de sachets, par exemple, vous pouvez produire par jour La quantité que nous produisons par jour euh, peut aller jusqu'à du tomate, c'est-à-dire pour la tomate fraîche, on est capable de transformer jusqu'à 500 kg par jour avec notre petite unité. 500 kg par jour, ce qui fait que par semaine, jusqu'à 1,5 tonnes. Donc la poudre que ça va produire par jour est d'environ 40 à 50 kilos de poudre par jour. Euh, que nous faisons des sachets de 40 grammes, ce qui veut dire que nous produisons jusqu'à 50 000 euh, grammes donc nous faisons des petits sachets de moins de 15 grammes. Donc ce qui fait que ça dira, euh, voilà, on peut toutefois s'en sortir jusqu'à 4 000 sachets. Quelles sont, quelles sont les qualités que vous reconnaissez en la tomate en poudre euh, les qualités, pour commencer, c'est parce que c'est biologique. Ça n'a aucune différence avec la tomate concentrée, euh, la tomate euh, fraîche. La deuxième qualité, c'est sa conservation qui dépasse toutes les autres dérivés de tomates qui existent sur nos marchés. Parce que sa conservation peut aller jusqu'à deux ans. Donc, ce qui fait qu'à notre niveau, nous pouvons toutefois faire beaucoup de stocks et les transporter n'importe où. C'est-à-dire au-delà du Niger, et que ça ne se pourrisse pas, ça garde toute sa qualité qui est là. Donc euh, deux ans, c'est une estimation, ça peut aller au-delà. Hein. Vous avez fait votre invention en 2013. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de production de la tomate à poudre et qui sont les acteurs à qui vous vous adressez pour pouvoir produire 2013, euh, certes, euh, j'ai fait mon invention en 2013, c'est-à-dire la connaissance publique de ce que j'ai créé. Mais l'entreprise, c'est-à-dire ma petite entreprise, euh, monté il y a environ 6 mois et que j'ai commencé à travailler en tant que tel il y a environ 4 mois et que euh, j'ai commencé ça dans, le quartier à travers des, tests de dégustation. Vous n'avez pas commencé encore à écouler J'ai commencé à écouler, j'ai commencé à avoir euh, des appels euh, de ces grossistes là pour que ça, ça soit plus étendu, pas plus étendu, je veux dire au-delà du Niamey, pour que ça soit connu dans les autres régions, pourquoi, pourquoi pas au-delà du Niger, comme j'ai commencé à avoir des appels au-delà du Niger les autres acteurs auxquels vous avez affaire, c'est certainement les producteurs. Est-ce que euh, vous vous approchez d'eux et quelle est la coopération qu'il y a entre vous et les producteurs euh, Ma coopération, c'est-à-dire, euh, bon, j'aimerais notifier quelque chose hein, de bien clair. C'est-à-dire, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire l'innovation jusqu'à la transformation de la, la, poudre, la tomate en poudre parce que je voulais les aider. Je constate que le produit n'arrive pas à écouler. Donc ma, mon approche consiste à, dire, euh, voir quels sont les producteurs, c'est-à-dire les coopératives qui produisent toute l'année. Voilà, vous venez de suivre Yacoub Meiga Dialfari. Euh, c'est un ingénieur de formation, mais il a surtout trouvé un moyen de transformer la tomate en poudre dans une perspective de conservation. Ainsi s'achève ce forum essentiellement consacré à Agadez, Agadez qui a intronisé, ce matin son 52e sultan Omar Ibrahim Oumarou. Et puis euh, nous étions partis à Difa, Difa où des éléments de Boko Haram euh, se sont rendus hier d'eux-mêmes aux autorités régionales de Difa. Tous de nationalité nigériennes, ils ont été reçus et installés dans une cité de transit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain à la même heure, aux mêmes fréquences, mais avec d'autres thématiques. Bonne soirée.